Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes là au tribunal euh, de Dakar, euh, attendant l'arrivée du juge Kanji d'un moment à l'autre. Vous voyez, toute la presse est là. Ça commence à bouger. Apparemment, ça va commencer d'un moment à l'autre. Ah, ah, ah. En attendant que le juge arrive. Euh, sont en train de préparer le lieu. Ils avaient annoncé 11h, après ils nous ont dit 11h30, ils ont dit midi, après ils ont dit 13h. Bon, maintenant, apparemment, ça avance bien. Les assesseurs sont là, en train de placer les documents comme vous pouvez le voir. Apparemment, ça va démarrer très bientôt. La proclamation des résultats. de l'élection présidentielle du 24 février dernier. maa nekkoon secrétaire. non rek doon liggéey dafa baax. dafa baax boo xëyee rek bàyyi. maa ngi leen di tënk ñaar ba tey ba tey bi ñu jëlee permis PDS 2017

téléphone yi sonné foofu de. c'est pas

Pourquoi tu ne laisses pas à la maison Viens à ton bureau. C'est que tu vas à la mosquée. Tu n'en pas besoin là-bas Mais tu étais, c'est ça, On attend encore l'arrivée du juge Kandji, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc euh, tout le monde attend, la presse est là, la presse locale, la presse internationale, tout le monde attend. De moment là, peut-être que ça va pas tarder. Ils ont déjà posé les documents sur les tables des différents responsables. Donc euh, on pense que ça va plus tarder. Ça bouge encore au niveau de la salle. Ah, la presse est là. Mamour waaw. te bu koy def dinaa mën la Tout le monde attend impatiemment. De attendez plus de deux heures de temps maintenant. Et vous pouvez être sûr qu'on n'attendra pas plus que ça. Grand, di tantar Sénégal moo neex quoi. Papa. Pap, c'est bon, c'est bon. C'est bon. attention. au aux câbles. Les câbles, attention. Pape, s'il vous plaît, téléphonez, nous avons fait avion. gilet Macky Sall de alors qu'il est censé être neutre mu ne Pape sol na gilet Macky Sall de alors qu'il est censé être neutre man gars yi ma àndaloon nag amoon amoon na ko mais bi ñu duggee ci oto bi laa ko ne sa waay doo dugal li tribunal de ci oto bi la ko bàyyi après après ba porter ça parce que gilet la rafet na kër en ce moment ci. ak ah, gars yi moom la ñuy solal. c'est

bu yëkkati de voilà. <laughs> bu yëkkati wàcceel na yem. ah non non damay damay kii. après da nga koy kii la quoi. non chef moo gën a xam ne man la. ma bëgg a dal kaw rek <laughs> ma bëgg a dal kaw rek ah. 慢着，这么讲。 mesdames, messieurs les journalistes. C'est bon Mesdames, messieurs les journalistes, une fois encore, merci d'être venus nombreux assister à la proclamation des résultats de l'élection du février, de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Je voudrais d'abord vous signaler que durant ces trois jours, nous avons procédé à l'examen des procès-verbaux issus des commissions de recensement départemental des votes du Sénégal et de l'étranger. Nous avons ainsi examiné 53 procédures qui n'ont fait l'objet, sauf rectification et harmonisation des figures qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve. nous avons fait cet examen avec des représentants des candidats. Pour euh, les candidats Macky Sall, Idrissa Ousmane Sonko, Mandi Kenyan et El Sall. Jusqu'à hier, nous avons bouclé le recensement des procès-verbaux qui nous sommes parvenus, nous sommes du des commissions départementales de recensement. Il nous restait quelques bureaux de vote que les commissions de l'étranger n'avaient pas encore au moment de procurer. C'est ce qui a retardé un peu notre intervention actuelle, parce que simplement il nous fallait collecter encore des renseignements venant de l'étranger pour ne négliger, en tout cas pour ne laisser en rade aucun vote, aucun suffrage exprimé par les Sénégalais, les citoyens sénégalais. Nous l'avons fait et euh, je pense que, sauf peut-être deux bureaux de Orgendi et quelques autres bureaux d'Italie, nous avons pu tout recenser. Et c'est pour cette raison maintenant que nous sommes en mesure d'aller vers la proclamation provisoire des résultats. Alors, autour de moi, vous avez tous les représentants des candidats, à savoir la coalition Ousmane Sonko 2019, la coalition Macky 2019, la coalition Pur Sang, la coalition Madi Madame Traoré qui représentait jusqu'à hier, à la fin de notre recensement, le candidat Idriss Sek, Idriss 2019, ne s'est pas présenté ce matin. À l'exception de Madame Traoré, tous les candidats ont signé le procès verbal, même si les représentants de IDI 2019, de, de Sonko 2019 et du, PUR et de Modi kényan ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites euh, pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal, et ça c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Comme le, le veut la loi, nous sommes tenus d'annexer ces observations au procès verbal qui est destiné à transférer notre saisine à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation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

juróom ak juróom-benni téeméer juróom-ñett juróom ak ñett ak ñeent fukk ak ñett ñi wote ñeenti junni ak ñeenti téeméer ñeenti ñeenti junni ñeenti million waaye ñeenti million ñaar fukki junni ak juróom-benn

muy yu Sénégal ak bitim réew yu Sénégal ak bitim réew jaar na ci yoon lu dul nii dafa am ay chiffres yu ñu redressé amul lu ñu annulé amul loo xam ne nii waroon nañ ci donc loolu lépp jàll na ci ñu tuddee googu bi loolu jàllee sunu ndaje moom ñu doon def ñi ko teew candidat yëpp teewoon nañ

te yàlla def na ci jàmm ñun xaar nañ ko ba liñ ci war a jot yëpp jot nañ ci lu bëri loolu moo taxoon tey ñu teel a ñu yéex a ñoom ci sàmm bi comme ni ñu ini waxoon mais loolu lépp yàlla def na mu yem ah tey ci suba noté nañu ni candidat idi 2019 bi ko ko fi teewaloon ni madame Traoré suñu nag la moo tax wante loolu candidat Macky Sall ñi ko fi teewal ñu ngi fi candidat Issa Sall ñi ko fi teewal ñaar lañ ñu candidat Sonko ko fi teewal ñu ngi fi candidat Madické ñi nga xam ne mënuñoo def dara te teewu ko ndawam a ngi nii toog donc li ñu doon def ak ñi nga xam ne nii ñoo ñëwoon ci sunu suñu réew ñu invité leen pour ñu saytu élection yi ñoom it ñu

4 383 879 euros. Yo, ñu ko candidat Macky Sall 2 554 605 Moudon, il li estimé 58,27%. candidat Idriss Sek am 898 674 euros. ñu ko 20,50% candidat Ousmane Sonko a 687 065 15,67%. candidat Mandi Kenyan, a 65 002 Vous ñu 1,48%. candidat El Hadji a 178 533 bu 4,7 Y a démontre 4 virgule